Il vient d'être 18h passe de 15 minutes à Niamey. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako au Gourma. Les présidents du Niger, du Burkina Faso et le Premier ministre du Mali ont pris part à cette rencontre. Vous les entendrez d'ailleurs un de l'entame de ce forum. Ensuite, euh, cap sur la capitale de l'Aïr à Agadez, où une importante délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur était ce matin pour échanger avec les autorités locales sur plusieurs actions de développement à travers notamment le fonds de la migration. Et enfin, à suivre également le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, Kasumissa, et le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire chez Boudambaji par rapport à la récente décision du ministère de tutelle suspendant les compositions du premier trimestre et afin d'évaluer les élèves à travers le système de contrôle continu. Je le disais tantôt, le palais des congrès euh, de Niamey a abrité ce matin 24 janvier 2017 les travaux de la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. On prépare à cette euh, rencontre le président burkinabé Marc Roch Christian Kabore et le Premier ministre malien Modibo Keita. Une rencontre élargie au ministère des Affaires étrangères et ceux de la Défense des pays membres de l'autorité de l'Iptako Gourma. Le sommet a consacré l'élargissement de l'autorité à l'ensemble des territoires des pays membres de cette organisation régionale. Enfin, le communiqué final a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts des pays membres de l'autorité de l'Iptako pour la sécurisation de leurs pays respectifs. La conférence a donc décidé de la création d'une force mixte de sécurisation de l'Iptako Gourma. Pour conclure, les chefs euh, de l'État ont accepté de répondre à quelques questions des journalistes. La première question, le bilan du travail accompli depuis 2011 dans le cadre de la décision des chefs d'État de l'autorité de l'Iptako Gourma lors de leur conférence du Niamey pour l'élargissement de l'organisation à tous les territoires des pays membres. Le président Issoufou Mahamadou a répondu au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, nous avions pris euh, cette décision en novembre 2011 euh, ici même à Niamey. Et depuis cette date, nos experts et nos ministres ont travaillé et nous ont proposé un traité révisé pour l'autorité du Liptako Gourma la présente conférence extraordinaire qu'on vient de, terminer a examiné les propositions faites euh, dans ce cadre par le Conseil des ministres et nous avons décidé d'adopter ce, traité euh, révisé de l'autorité du Tapo Gourma qui étend la zone d'intervention de l'autorité non pas seulement à l'espace du Tapo Gourma sensu, mais à l'ensemble euh, des espaces de nos trois pays, donc le Mali, le Burkina Faso et, le, et Niger. Cela apparaît euh, très clairement d'ailleurs euh, dans le communiqué euh, final. Et vous avez vu également à la reprise, nous avons signé le traité révisé qui nous est proposé par, par les experts et par le Conseil des ministres. Ça, ça constitue une avancée, effectivement, par rapport aux décisions qu'on a, a prises. C'est une mise en œuvre de ces décisions qu'on a prises en 2011. La deuxième question a porté sur euh, le financement de cette euh, nouvelle force créée et qui est dénommée Force mixte de sécurisation de l'Iptako au Gourma. C'est le Premier ministre du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, qui a répondu à cette question. On l'écoute. Euh, comme vous avez si bien souligné, nous sommes conscients que cela nécessite des moyens mais comme nous l'avons dit, euh, c'est une opérationnalisation qui va monter en puissance progressivement. Le second aspect qu'il nous faut retenir, c'est que si nous ne nous occupons pas nous-mêmes de notre sécurité, il n'y a personne d'autre qui viendra financer la sécurité euh, des pays et des États membres de l'ALG. Donc nous avons pris l'engagement, en tout cas, tout cas à notre niveau, au niveau des trois pays, euh, de faire en sorte à financer déjà nos armées pour assurer cette sécurisation, à faire appel également à des partenaires, puisque notre action s'inscrit également dans le cadre du G5 Sahel, que vous connaissez, qui déjà travaille sur d'autres frontières euh, dans le cadre, dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. Euh, c'est donc dire que nous travaillons d'abord sur nos propres fonds, mais également sur l'apport que nous aurons avec des pays amis euh, que nous aurons euh, je dirais, consulter également sur ces différentes questions. Et la dernière question posée était de savoir en quoi cette rencontre va changer quelque chose sur le terrain caractérisé par des attaques terroristes. Réponse du Premier ministre malien Modibo Oketa. Et la question du financement revient de façon récurrente, mais il s'agit d'établir une relation entre la sécurité et le développement. Si la sécurité n'est pas au rendez-vous, le développement est aléatoire. Donc les moyens disponibles dans nos États, malgré leur exécuté, devraient être mobilisés, tendus par une volonté politique inébranlable pour assurer cette sécurité. La réalité est que le champ est vaste, on l'a dit. Il est tout à fait difficile aujourd'hui pour un seul État d'assurer cette sécurité. Donc il faut une mutualisation des moyens. C'est difficile. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. C'est difficile parce que l'avenir de nos pays en dépend. Par conséquent, mobilisons tous nos efforts, comptons sur la, la politique, sur les communicateurs, sur nos partenaires, pour que cette décision capitale puisse être traduite dans les faits. En tout cas, c'est notre espoir. Merci. Et enfin, notre reporter Alassane Kouzi Mamadou s'est aussi entretenu avec le responsable de l'Iptako Gourma ici au Niger, M. Ouassedou, euh, qui répondait par rapport aux résultats atteints par l'autorité de l'Iptako Gourma. On l'écoute. Oui, les, réalisations euh, de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma sont très nombreuses et variées et, conformément à nos domaines d'intervention. Euh, nous avons fait beaucoup de réalisations, surtout en matière euh, euh, d'infrastructures de transport, je veux dire les, routes, les routes bitumées, les, routes, les, pistes latéritiques, les routes secondaires, etc également en matière euh, d'infrastructures de communication, euh, en matière euh, de développement de la production de produits agro-silvopastoraux et halieutiques, dans le domaine social tel que la santé, l'éducation, la jeunesse. Nous avons réalisé beaucoup euh, d'infrastructures de formation sanitaire telles que celle de, de, de Dori, et par exemple, qui et on peut dire une formation de référence euh, sous-régionale, euh, mais également d'infrastructures euh, rurales telles que les parcs et couloirs de vaccination, etc. etc. donc nous avons réalisé en tout cas beaucoup d'opérations de, développement dans le secteur rural. En perspective, nous, venons d'apprendre que l'ALG, l'autorité du Liptako Gourma, projette de créer donc une force mixte de sécurisation de, cette zone. Une bonne nouvelle pour, pour les pays membres Absolument, c'est une euh, très très bonne nouvelle euh, que la, la création de cette force euh, multinationale de sécurisation euh, du Liptako Gourma euh, parce que justement euh, comme euh, le président en exercice de la conférence vient de le dire que la, le développement et la sécurité sont deux faces d'une même médaille. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement et, et quand il y a sécurité, le développement suit. Donc euh, c'est une très très bonne euh, chose euh, que la, décision de, la création de cette force mixte de sécurisation de, la zone. Vous peut avoir une idée de la taille de cette force, le nombre de, soldats qui vont être mis Non, <laughs> je ne suis pas autorisé de le dire. Il faut vous adresser au ministère en charge de la Défense. C'est eux qui connaissent toutes ces choses-là. Euh, donc euh, nous, nous sommes... Euh, ne sommes pas à un niveau pour le moment d'opérationnalisation, on est à un niveau de réflexion. donc de la mise en place de, la force. je pense qu'une fois que les choses sont bien balisées, elles seront portées à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. C'était la Oua secrétaire exécutif de l'autorité de Leptako Gourma. L'autorité de Leptako Gourma a été créée en décembre 1970 à Ouagadougou par les dirigeants des trois pays membres le Niger, le Mali et la Haute Volta actuelle Burkina Faso. Le chef du canton de Tamou, Oumar Diallo, y était à la création de l'autorité de l'Iptako Gourma. Il se rappelle encore des faits qui ont marqué la première réunion des chefs d'État et où est venue la dénomination de l'Iptako Gourma. <coughs> Excusez, Écoutez, euh, Diallo, à l'époque, il était directeur général des mines du Niger. Il était au micro de Soumana Amadou. C'est à l'initiative de Juri Hamani qu'on a provoqué une réunion à Ouagadougou en décembre 70. Et c'est Sangoulé Lamizana qui était chef d'État, euh, qui était président de la Haute Volta. Et on est arrivé à Ouagadougou il y avait donc les chefs d'État euh, de, la Haute Volta, Sangoulé Lamizana, du Niger, Djouri Hamani. Il y avait aussi Moussa Traoré, Djuri Hamani, qui ne parlait que de développement, faire une entité de développement de cette région, créer une unité de développement, se détacher du reste. Donc on a euh, tenu la réunion à Ouagadougou en présence des trois chefs d'État et on a créé des commissions présidées bien sûr par les présidents. Et on a choisi les techniciens que nous sommes, Arba Diallo de Haute-Volta et Ndao du Mali et moi-même du Niger, directeur des mines, des mines. Donc je m'occupais de tout ce qui est mines. À la réunion, les chefs d'État, on nous a désigné les trois pour trouver un nom à cette structure qui regroupe les trois États. On est allé dans une pièce à côté. Arba Diallo, euh, assez perpicace, du Liptako, il m'a dit, eh, on a trouvé le nom. C'est Liptako, Libitako, les gens qu'on ne peut jamais terrasser. Et Ndao a dit, eh oui, c'est bon. Liptako, sa mère aussi est Peul. Et moi, je suis Peul. On a dit donc qu'on va donner Liptako. On était à la, pièce à côté, on est revenu. On a trouvé les chefs d'État. Et Jalou, le plus perspicace, il dit on a trouvé le nom. On a trouvé le nom, Liptako. Ah Kaziende entend Liptako, il dit ces enfants-là, on leur dit d'aller euh, trouver un nom, tout de suite ils ont trouvé ça. Ils, ils, ont, fait, ils ont combiné, il faut ajouter Gourma. Et lui, il est de Kaya. Il a dit ajouter ah, ah, gourmand. C'est comme ça que c'est devenu Liptako Gourma. Et les autres ont accepté, ils étaient obligés de prendre Gourma aussi. C'est comme ça qu'on a créé le Liptako Gourma. C'est une région peu du Liptako. Et Kaziende a ajouté Gourma pour que les gourmandiers et les moussis en fassent partie et les autres. C'est comme ça qu'on a créé le Liptako Gourma. Le siège de, l'Ibtako Gourma, c'est la Haute Volta. On a construit un beau siège qui est là-bas. Quels sont les objectifs visés par les chefs d'État en créant l'autorité du Liptako Gourma C'est développer les gisements miniers. On a visé les, c'était les mines d'abord, l'or, il y a le fer, il y a le, manganèse de Tambao, il y a et bien sûr l'eau. Le plus évident, le plus patent, c'était Tambao. Tambao, c'est un gisement de manganèse un grand gisement de manganèse qui se trouve à Tambao justement, et puis les gisements de phosphate, comme nous avons nous le phosphate du W, le Burkina aussi a le phosphate du W, les roches vertes qui contiennent de l'or sont partout dans la région. Développer d'une façon générale la région à partir de ces ressources minières d'abord qu'on connaît, connaît, et donc euh, euh, développer des infrastructures de communication. On a des infrastructures, les liaisons, etc., partout. Développer l'agriculture aussi. L'agriculture est le base, toutes les régions, euh, c'est des régions agricoles, il faut les mettre en valeur, etc. Développer l'irrigation, etc., et tout ça. Nous avons le fleuve. La communauté d'action, c'est ça. Aujourd'hui, le sommet a pour thème sur euh, l'insécurité. C'était pas euh, d'actualité. Bon, les gens étaient tranquilles. Maintenant, il y a l'insécurité, bien sûr. Avez-vous un message à adresser au chef d'État actuel de l'autorité de Litako Gourma C'est une région elle est minière. Par exemple, euh, les phosphates du W, à cheval sur la Haute Volta, le Burkina aujourd'hui, et le Niger, il y a des milliards de tonnes de phosphate qu'on ne peut pas exploiter pour faire des engrais. On avait tout ça dans la tête et on n'a pas fait ça quand même. potentiellement, ça existe. Mais il faut, il faut faire un chemin de fer. Les phosphates, c'est des substances euh, euh, lourd, il faut faire un chemin de fer, aller vers la mer. L'actuel chef de canton de Tamou, Oumarou Diallo, qui explique l'historique et le processus de la création de l'autorité de l'Iptako au Gourma. Une importante délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur au Niger est venue ce matin à Agadez L'objectif de cette mission est d'échanger avec les autorités de la région sur les nombreuses actions dans le but, dans le cadre euh, du Fonds de la migration. Quelques conventions ont été signées à hauteur de 140 millions d'euros pour euh, trouver des sources d'emploi aux jeunes. Explication euh, avec Raoul Mathieu Paula, ambassadeur de l'Union européenne au Niger. Il est au micro de Moussa Maman. Je suis venu à Agadez euh, accompagné d'une euh, délégation importante de l'Union européenne, des agences de développement, donc, euh, pour et des États membres de l'Union européenne, pour avoir des discussions avec les autorités, des échanges avec les autorités régionales, locales le gouverneur, euh, le président de la haute autorité de la consolidation de la paix, euh, sur de nombreuses actions qui vont démarrer à Agadez, dans la région d'Agadez, et aussi Zander et Tawa, euh, dans le cadre euh, du fonds fiduciaire des migrations qui a été adopté. Voilà, donc on a signé quelques conventions. Donc vous savez que le Niger est un des plus grands bénéficiaires de ce fonds, donc 140 millions d'euros. Euh, et il y a des actions à, à impact très rapide parce qu'il est extrêmement important de d'aider donc les autorités nigériennes, les autorités locales, les autorités régionales à donner des perspectives aux jeunes, des perspectives alternatives au trafic, des perspectives de développement qui sont la meilleure réponse au trafic euh, et à l'insécurité. Alors j'ai commencé une convention d'action à impact rapide, euh, une convention de 8 millions d'euros qui va être mise en œuvre par la haute autorité de la consolidation de la paix et qui va démarrer très rapidement pour trouver donc des, des alternatives euh, aux jeunes, euh, des sources d'emploi, euh, etc., en coordination avec les communautés locales, à l'écoute des communautés locales et des acteurs de la région. C'est que je suis vraiment content, donc heureux d'être ici. Agadez, c'est une région, une région qui était florissante à l'époque, donc une région qui a bien beaucoup bénéficié par le tourisme, et malheureusement, donc victimes de nombreux conflits, de trafics, d'actes de terrorisme, etc. Euh, je suis content donc euh, de ces efforts et donc euh, et de cette solidarité de l'Union européenne, de la communauté internationale qui est ici présente pour aider donc ces populations à trouver euh, d'aspiration, donc des, des, sources, des sources pour leur avenir, pour leurs enfants et des sources d'épanouissement. Raoul Mathieu Paula, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne au Niger. Pour les autorités régionales d'Agadez, ces conventions sont le fruit d'un long processus et euh, répondent aux attentes de la population. Mohamed Anako est le président du conseil régional d'Agadez. On l'écoute. Les conventions qui viennent d'être signées, c'est le fruit de longs processus. C'est vraiment les attentes de nos populations. Donc nous sommes en train de voir maintenant la mise en œuvre, les préoccupations de tout le monde, comment elles seront prises. Tout à l'heure, les collectivités ont demandé, avant la mise en œuvre, c'est elles qui doivent dire, voilà ce dont elles ont besoin. Moi, je pense que là, ils sont d'accord. Pour le moment, c'est des conventions qui sont signées, c'est-à-dire il y a eu l'argent. Maintenant, on va s'asseoir pour corriger, modifier comment le projet sera mis en œuvre dans l'intérêt de tout le monde. Et si vous avez remarqué, la région d'Agadez avait demandé à la haute représentante de l'Union européenne quand elle est venue créer un bureau ici à Agadez l'Union européenne. Ils sont en train de le faire. Donc je pense que chaque fois qu'on a des problèmes, on se retrouve, on corrige, on avance. Parce que tu sais que la migration, c'est la seule ressource de revenir à Agadez. Il y aura des conséquences sur notre jeunesse, sur notre économie. C'est pour cela que euh, on est en train de voir avec l'Union européenne quelles seront les mesures compensatrices. Et la signature de ce genre de conventions vont dans ce sens. La suite euh, de ce forum euh, à la veille de la rentrée du deuxième trimestre le ministère des Enseignements secondaires a dressé une lettre aux responsables des services déconcentrés de, leur, euh, leurs répondants de suspendre les compositions du premier trimestre et d'évaluer les élèves à travers le système de contrôle continu. Le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, Kasumissa, explique les raisons de cette décision temporaire au micro de Moussa Mamman. Vous savez que les devoirs et les compositions, c'est en même temps une évaluation des élèves. Et nous, en tant que ministère, ça nous permet aussi d'évaluer les professeurs eux-mêmes qui ont en charge de mener ce travail. Bon, ce serait trop d'affirmer qu'on a supprimé les compositions. Les compositions n'ont jamais été supprimées. Mais il reste que il y a des contrôles qui sont faits par étapes. Et qu'il y a une étape aujourd'hui que nous avons constatée parce que, souvenez-vous qu'à la veille de la rentrée des congés du premier trimestre. Alors euh, le ministre des enseignements secondaires a bien reçu avec euh, nous autres, nous avons reçu et ici même à Niamey et nous sommes entretenus avec tous les directeurs régionaux et Enseignements secondaires du Niger. Et ça nous a permis déjà d'évaluer euh, le rythme d'exécution des programmes au niveau de toutes les régions, au niveau des DDS. Et cela nous a permis de constater que, notamment, la région de Niamey, par exemple, est une région qui a connu énormément de perturbations. Et au vu de ces perturbations, euh, puisque nous ne sommes pas là pour euh, sanctionner à mal les enfants, nous sommes un système éducatif qui doit permettre à ce qu'il y ait de meilleures euh, activités enseignement-apprentissage, qu'il y ait une meilleure évaluation. Et le tout doit tourner autour et centrer autour de l'enfant. C'est pour que l'enfant apprenne quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons donné la latitude à tous les directeurs régionaux chacun en ce qui le concerne, selon le bilan qu'il fait de ce qui s'était passé, de voir comment il peut procéder à une évaluation. Avec même une seule composition annuelle, dans tous les cas, les devoirs sont continus. Donc, tout au long de ce temps-là, il y aura des devoirs et maintenant la suggestion que les différents techniciens, donc les directeurs régionaux, nous ont fait et ce que nous avons analysé avec eux, c'était effectivement de ne pas connaître une seconde perturbation pour toutes ces régions qui ont connu des perturbations, parce que vous savez que le temps de composition, c'est pas l'évaluation, le temps de composition, ça pose vraiment un véritable arrêt de travail et nous perdons énormément des heures. Alors qu'à ce moment précis, nous n'avons pas besoin, puisque les élèves ont réalisé avec leurs enseignants qu'il fallait accélérer donc, donc des activités enseignement-apprentissage, nous avons dit qu'ils peuvent se passer de l'évaluation qu'ils devraient faire à partir du premier semestre. Mais les devoirs sont continus et nous allons évaluer tout ce qui va être fait. Et après, ils vont se rattraper avec donc le second semestre pour pouvoir faire les évaluations proprement dites. Monsieur le SG, est-ce que cette décision concerne toutes les huit régions du Niger Mais c'est toutes les huit régions du Niger parce que nous avons voulu que les gestionnaires, parce que vous savez que même les établissements, ils ont la latitude parce que tous les établissements ne font pas des devoirs en même temps. Tous les professeurs au sein de l'établissement ne font pas de devoirs en même temps. Mais nous estimons qu'il y a un minimum de devoirs qui devraient être faits pour évaluer un enfant sur chaque discipline par rapport à un temps donné, un trimestre et un semestre. Donc s'ils peuvent faire toutes ces évaluations-là, c'est ça le plus important, mais les compositions, ça, ça sanctionne un travail on verra bien comment maintenant donc ça va être fait. Et actuellement, nous attendons le, feedback d'ici la fin du mois de février. Dans tous les cas, les directeurs régionaux vont nous remonter le bilan qu'ils ont fait et l'évaluation de tout cet exercice que donc nous avons demandé au directeur général de faire. Est-ce que cette décision euh, n'a pas de conséquences sur la progression des cours ou bien sur euh, le niveau d'apprentissage des élèves Mais si elle aura un impact positif, parce que l'impact positif, c'est surtout de gagner du temps. Parce que vous savez, notre système, il souffre surtout, c'est-à-dire de manque de temps, de, mauvaise gestion de temps scolaire. Et c'est cette mauvaise gestion de temps scolaire qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à un troc au niveau du système éducatif que nous, nous dénonçons, que nous condamnons. C'est que des enseignants censés prendre des enfants par rapport à un temps requis pour exécuter un programme donné qui est connu de tout le monde, un programme standard dans tous les pays. Malheureusement, les cours ne sont pas faits, tantôt c'est les enfants qui ne sont pas disponibles, Tantôt, c'est les professeurs qui ne sont pas disponibles. Et maintenant, nous assistons à un troc, maintenant éducatif, où on demande aux parents de payer de l'argent pour faire des cours de rattrapage. Ça, le ministère condamne. Vraiment, nous avons condamné fermement, nous continuons à, condamner fermement cet état de fait et que les parents d'élèves et les élèves doivent tous reprendre leur confiance en eux et se dire qu'il n'y a que la meilleure exécution de temps scolaire qui permet vraiment d'asseoir des bases de connaissances solides et de savoir au niveau de l'école. C'est comme ça que les enfants, nous pouvons être assurés qu'un enfant a des difficultés lorsque le temps a été réellement exécuté. Mais quand on vient à la va-vite, on utilise mal le temps scolaire et après on demande aux parents qu'on va faire des cours de rattrapage. Ça, vraiment, nous pensons que les parents doivent nous aider à arrêter cette hémorragie. Les élèves doivent nous aider et les enseignants eux-mêmes. Ça n'honore pas leur profession, ça n'honore pas leur notoriété au niveau du système éducatif. Monsieur le SG, est-ce que c'est la première fois que le gouvernement a pris de telles décisions dans le secteur de l'enseignement secondaire Non, non, non, non, je ne crois pas. Il y a eu, il y a eu pas mal d'années où vraiment eh, les, devoirs continus ont été faits. Les élèves ont le souvenir, les professeurs, euh, l'administration scolaire. Mais vous savez, dans le temps, c'est même des régions, c'est même, nos, structures de concentrés qui décident, elles écrivent tout simplement pour demander l'autorisation, pour dire que voilà, cette fois-ci, vous ne serez pas surpris, nous avons opté pour vraiment les devoirs continus, pour euh, euh, le contrôle continu, parce que, parce que, parce que voilà, parce qu'il peut arriver une maladie dans une région, il peut arriver pas mal de choses qui peuvent perturber les activités enseignement-apprentissage, et au niveau d'une localité, on peut effectivement décider de voir comment opter. L'essentiel pour nous, c'est la meilleure exécution programme et une meilleure évaluation des élèves pour voir si réellement ce qu'ils ont appris a été vraiment eh, bénéfique pour eux, si réellement ça a été tassé, si on peut l'évaluer. Et là, nous disons que voilà, par rapport à l'évaluation des acquis scolaires, notre système est performant ou pas. Monsieur le SG, est-ce que le gouvernement ne craint pas ce qu'il y ait perturbation avec euh, euh, la liste de la Haltia qui handicape beaucoup d'enseignants à l'intérieur du pays Oh, je ne crois pas. Vous savez, tout ça là, on a entendu des spéculations. Je, ne vois pas ce que la liste de la Halcia va venir faire comme perturbation, parce que du moment où la Halcia ne cherche que des anciens effectifs, mais ces anciens effectifs, déjà, ils n'existent même pas. En quoi peuvent-ils perturber notre système un enseignant fictif, c'est un enseignant qui n'existe pas, mais dont le salaire continue à sortir sur les écritures de la comptabilité de l'État. donc, en quoi il peut perturber Il ne peut pas perturber parce qu'il n'a jamais existé, il n'existe pas. Mais c'est qu'on va mettre l'État dans ses droits. Donc, je ne vois pas en quoi vraiment ça peut perturber. Nous ne redoutons aucune perturbation, surtout que le plus important pour nous, au niveau du gouvernement, c'est que nous nous sommes rendus compte que les élèves, les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes, chacun a pris conscience de la nécessité vraiment de mettre l'école en dehors, vraiment de tout ce jeu-là, parce que l'école n'est pas un jeu, et que nos enfants sont en train de vieillir en restant au même sous-cycle, en restant au même cycle, et nous pensons que ça n'honore ni le Niger, ni ses enfants, moins encore les parents qui ont hâte de voir leurs enfants sortir vraiment d'un cursus avec quelque chose de probant. Et nous savons que euh, tous ces remus là sont dus aux réclamations et aux revendications des enseignants et des élèves. Qu'en est-il des protocoles d'accord signés Est-ce qu'il y a eu des avancées pour qu'on puisse espérer que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de perturbations majeures Mais vous savez, c'est comme si un médecin vient vous dire que il est sûr que les vaccins sont là, personne ne mourra d'une épidémie. Mais comment on ne peut pas présager En fait, les revendications, c'est ça qui prouve le dynamisme d'un système. Et s'il n'y avait pas de liberté syndicale, s'il n'y avait pas de liberté d'expression, s'il n'y a pas de démocratie, qui pourra revendiquer Il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas les revendications. Mais au Niger, on a opté pour la démocratie, on a opté pour les libertés individuelles et collectives et les libertés d'organisation et syndicale. Les revendications ne nous font outre mesure problème. Le plus important pour nous, c'est qu'elles soient légitimes. Et chaque fois que c'est des revendications légitimes qui sont posées, vous voyez comment notre gouvernement les prend à bras le corps en invitant les syndicats. Mais dans tous les cas, à l'impossible une tenue, si les enseignants nous ont fait crédit comme nous on leur en fait, parce que dans les protocoles, c'est toujours le gouvernement qui dit que le gouvernement s'engage, s'engage. Mais eux, des syndicats, lorsqu'ils s'engagent à faire ce, cela, après, il y a des perturbations, alors quelle est la garantie qu'ils donnent Mais aujourd'hui, je pense que le plus important pour nous, ce n'est pas que les problèmes soient posés. Lorsque vous dites que vous allez mettre des enfants, tous les enfants de ce pays-là, et ensuite les anciens qui doivent les enseigner, avec des structures qui doivent les gérer au niveau des ministres au niveau d'un gouvernement comme responsabilité, vous savez qu'il y aura toujours des problèmes, quel que soit le niveau. Mais le plus important, je pense, c'est notre capacité à faire face à ces problèmes, parce que si les enseignants et les élèves nous avaient écoutés, on n'aurait pas dû vivre les perturbations que nous avons connues au cours de la rentrée et pendant le premier trimestre. Pourquoi Parce que les mêmes promesses faites par le gouvernement, c'était des promesses salariales, c'était des promesses par rapport au retard observé ici et là. Le gouvernement a dit, dès qu'on va arriver en décembre, nous vous garantissons qu'on va régler ce problème. Et tout le monde, tous les Nigériens savent que cette question-là, le problème économique aujourd'hui, c'est le problème planétaire. On voit tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Asie, ici en Afrique, chez nos voisins. Mais Dieu merci, nous jusque-là encore, on n'a pas pris de mesures pour encore remettre encore des acquis. Et les promesses qui ont été faites, c'est dire que nous sommes un pays en guerre. Le Niger n'a jamais connu la guerre depuis l'indépendance. C'est la première fois que nous, sommes en contre la guerre. Et avec tout ce que cela coûte, mais le gouvernement a fait la promesse et nous avons tenu la promesse, que ce soit vis-à-vis des scolaires, vis à -vis des enseignants, tout ce que nous voulons c'est que le système éducatif, qu'il puisse fonctionner et qu'il pleuve et qu'il, ou qu'il neige, la façon dont le président de la République, chef de l'État, moment Soumamadou a pris l'engagement vraiment de faire quitter notre école là, du socle où elle a été rabaissée. Je pense que tout le monde aujourd'hui doit soutenir. C'est vrai que le résultat du système éducatif, ce n'est pas le que, que vous allez voir en deux ans, en trois ans. Mais ce qui est en train d'être fait pour relever le système, d'ici dix ans, nous savons que le Niger sera cité. Inch'Allah, si en cas la tendance se maintient, je dis bien si la tendance se maintient, le Niger sera cité parmi les pays qui sont en train d'émerger dans le système éducatif lors de la récente revue conjointe gouvernement, euh, partenaires techniques et financiers et la société civile active en éducation. Des doléances ont été faites, des fortes recommandations ont été faites allant dans le sens d'organiser le système éducatif euh, nigérien. Est-ce que euh, le gouvernement nigérien a les moyens de sa politique pour mettre en œuvre toutes ces recommandations Mais je suis très surpris de la façon dont vous formulez ces revendications parce que le gouvernement ne peut pas formuler des recommandations à lui-même. Quand vous parlez juste de cette revue, parce que le gouvernement était à la revue, les PTF, ils sont partie prenante de la mise en œuvre. La société civile, elle est partie prenante parce que nous avons créé ce qu'on appelle le groupe partenaire locaux éducation. Le GPLE, là, toute la mise en œuvre du PDDE, que un syndicat, une association, une ONG se mettent de côté pour juste regarder le système de façon périphérique, alors là, il est condamnable. Parce qu'aujourd'hui, la façon, c'est-à-dire, nous avons opté aujourd'hui pour vraiment une approche participative. Et c'est pour ça, depuis la création du GPLE, on dit maintenant aux partenaires, ce n'est plus maintenant de critiquer, mais c'est de venir aider à ce que nous puissions respecter tout ce qui a été édicté dans le programme. Le Niger joue d'un programme, on n'est plus en train de tâtonner. Nous avons un PCF, nous avons un curriculum aujourd'hui qui soutient la qualité. Ce curriculum-là, il faut que les partenaires aillent regarder c'est quoi un curriculum. Ce curriculum-là, comment on est en train de le mettre en œuvre D'ici 5 ans, 10 ans, comment que va devenir notre système éducatif à travers ce nouveau curriculum. Si on l'ignore, si on ne vient pas dans le GPLE, on va le savoir aussi les membres, participants, représentants les ONG, PTF. Pourquoi le GPLE dont vous disiez Le groupe partenaire locaux pour l'éducation. Il est constitué d'abord de, les six ministères en charge de l'éducation, de cabinet du Premier ministre, du cabinet du Président de la République, il y a encore des représentants des syndicats d'enseignants, des représentants des syndicats des scolaires, des parents d'élèves, ensuite des coalitions et ONG associations pour l'éducation et des PTF. Donc tous ceux qui doivent venir d'une façon ou d'une autre agir dans le système éducatif, ils sont membres du GPLE. Et je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui les revendications qui, qui, étaient issues donc, euh, de cette euh, revue conjointe, c'était juste de venir évaluer comment nous avons mis en œuvre ce pan du PSF, là, ce programme secteur éducation-formation, comment chacun a pu assumer sa contribution, c'est-à-dire sa, sa, contrepartie en termes de responsabilité, et comment chacun peut s'interroger sur demain comment il va continuer à assumer sa responsabilité. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, dans tous les cas, tout ce que nous avons encore planifié dans le PCF, tout ce que nous avons projeté faire en tant que gouvernement, nous sommes en train de l'assumer et la revue conjointe en a fait un état des lieux. Et je pense qu'on ne peut pas maintenant crier au satisfait, mais nous allons continuer. C'est maintenant que nous avons commencé à mettre en œuvre ce programme très ambitieux qui, du reste, tire vraiment sa, quintessence du PDS lui-même, le programme euh, économique de développement économique et social du Niger, et qui lui-même fait partie donc du programme de la Renaissance Acte 2. Et je pense que le gouvernement est totalement engagé et nous avons des PTF aujourd'hui aussi très engagés et qui suivent une démarche participative. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient nous édicter quoi que ce soit. Chacun a sa partition à jouer et au sein du GPLE, on fait la part des responsabilités des uns et des autres. Vous venez là d'écouter le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Kasumissa. Il est interrogé par Moussa Hassan. Comment les enseignants du secondaire ont-ils accueilli cette décision Écoutons à présent la réaction de Chebou Dambadji. Il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. On l'écoute au niveau du secondaire par le passé, mais ça n'a pas toujours été comme ça, il faut que les gens le comprennent. Il fut un moment où au niveau du secondaire, on faisait des contrôles continus. Donc euh, chaque semestre, on fait la moyenne et on donne les bulletins. Donc c'est la formule que le ministre de l'enseignement secondaire vient de demander compte tenu de la particularité de l'année, donc qu'il n'y ait pas de composition, qu'on fasse des contrôles continus qu'à la fin du mois de mars, que les élèves puissent avoir les résultats de l'évaluation. Mais il n'y de, aura pas de composition. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, euh, c'est sûr que ça a son avantage et son inconvénient. Le plus grand inconvénient, c'est au niveau de ceux qui ont euh, régulièrement et qui s'apprêtent à faire leur évaluation sans accroc, notamment ceux du privé. Alors ceux du public, eh, eh, effectivement, nous n'avons pas tellement avancé. Donc on peut penser qu'on mettra à contribution eh, ce temps-là pour euh, avancer. Donc euh, c'est une mesure qui répond en fait à la situation du moment les perturbations euh, au cours de l'année, euh, il est difficile d'envisager une évaluation normale parce qu'une composition, ça suppose qu'on ait fait un certain nombre de chapitres. vous avez ce qu'on appelle des unités pédagogiques, des disciplines, où on a fait tout au plus euh, un, deux, chapitres, donc de composition. En fait, ça ne sera pas une composition même si on le fait, ça sera tout simplement une évaluation classique, un devoir surveillé. Et quelles en seront les conséquences euh, sur le cursus scolaire des enfants non, pour les élèves, euh, il n'y aura pas de conséquences à vrai dire. Au lieu de faire une composition qui va compter pour euh, la moitié des notes au cours du semestre, donc il n'y aura pas de composition, il y aura des devoirs surveillés et des interrogations. Et c'est la sommation de ça qui va constituer la note du semestre pour les élèves. Pour les élèves, euh, vraiment, euh, il n'y aura pas d'impact négatif. au contraire, c'est de nature même à favoriser les élèves. Euh, donc, ça n'a pas d'impact négatif pour les élèves. Le seul impact négatif que ça a, c'est que c'est une décision qui a été prise comme ça dans la précipitation. On aurait pu, dès les premiers éléments du trimestre, se rendre compte que l'année sera sérieusement perturbée et signer l'arrêté en conséquence. Comme ça, ça aura permis aux enseignants de faire les interrogations, de faire les devoirs de maison pour qu'on puisse vraiment faire un contrôle continu comme ça se doit. Donc je vous réponds, ça n'aura pas d'impact pour les élèves. Et je vous ai dit à l'introduction que ce n'est pas nouveau. Jusque les années 2004, c'était le système qui était en vigueur au niveau de l'enseignement général, au niveau du secondaire. Donc il n'y avait pas de composition. On totalisait à la fin du semestre les notes obtenues par les élèves et c'est ça qui sert de moyenne du semestre. Et par rapport à l'exécution du programme Vraiment, l'exécution du programme, elle est catastrophique. C'est des choses que vous savez bien vous-même. Vu les perturbations des cours, du fait des élèves et du fait essentiellement des enseignants, pour les raisons que vous connaissez bien. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes euh, sur une ligne rouge et il faut que le gouvernement prenne conscience que si les enseignants d'aventure reprennent le mouvement de grève, l'année risque d'être compromise de manière irréversible. Donc il a intérêt à respecter les engagements qu'il a pris avec les différents syndicats SINASEB cause le 13 décembre. Mais nous nous rendons compte que, eh, une fois de plus, si nous ne sommes pas vigilants, le gouvernement ne risque pas de respecter les termes de cet accord-là. Et nous n'allons pas accepter. Il faut que l'opinion le comprenne, que les parents d'élèves le comprennent, les enseignants ne sont pas d'accord que le gouvernement signe un accord comme ça à vide. Donc il faut qu'ils respecte les termes de cet accord-là. Les termes de l'accord sont des, échéances précises. Il y a des matricules à octroyer d'ici fin mars, mais pour octroyer les matricules, il faut des postes budgétaires. Donc il faut déjà qu'on nous donne des signes qui prouvent que le gouvernement est de bonne volonté. Et vous avez la question de la grille salariale, où le gouvernement, sur une question d'impact, à faire par le ministère des Finances. Un travail de 2-3 jours, ça fait plus d'un mois que nous avons signé cet accord-là. Le gouvernement ne fait rien. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a péril à la demeure. Même si on a changé de mode d'évaluation, si le gouvernement ne fait rien, l'année risque d'être compromise. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est une façon d'attirer l'attention de l'opinion pour que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il comprenne que personne n'a intérêt à ce que la tension là qui a prévalu revienne encore au galop. Est-ce que ça ne permet pas à, l'État de, de, se dire qu'on ne peut faire que l'évaluation que sur ce qui a été exécuté Non, les évaluations, on les fait sur la base de ce qui a été exécuté. Euh, en dehors des classes d'examen, les classes d'examen, ça, il n'y a pas d'illusion à se faire. C'est tout le programme qui sera évalué en fin d'année que ce soit au BPC ou au baccalauréat. Donc les évaluations, même en année normale, on les fait sur la base du programme qui, a été exécuté au cours du, semestre. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de nouveauté. Mais cette année, il n'y a pas grand-chose d'exécuté. Donc nous risquons de faire passer des élèves, mais qui n'auront pas couvert un minimum du programme. Et ça a un coût. Parce que lorsque vous partez en classe supérieure, on pense que qu'il y a des notions que vous êtes censé avoir maîtrisé. Mais si vous ne le maîtrisez pas, tant pis pour vous. Donc l'enseignant ne va pas revenir sur le programme de seconde, par exemple, pour les élèves de première. Donc ça, c'est quand même une situation euh, qu'il faut euh, déplorer pour cette année. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, Chebou Dambaji, qui apprécie à sa juste valeur la décision du ministère des enseignements secondaires suspendant les compositions du premier trimestre et afin d'évaluer les élèves à travers le système de contrôle continu. Et ici s'achève ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.